Dieu merci. Enfin, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont décidé de quitter le franc CFA. C'est maintenant que nous venons de découvrir le motif palpable de la visite du grand Baobab, le général Abdulrahman Chiani, auprès des deux autres grands de l'Afrique, Assimi Gwita et Ibrahim Traoré. Nos rêves commencent à devenir une réalité. L'objectif était d'échanger et créer une synergie d'action entre les pays membres sur l'accélération du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance. Pour ce faire, ils ont soumis leurs propositions aux ministres des Finances des trois pays qui ont tenu